Ani wa kerge, ani wa ani wa konge, wa kerge, ani wa kerge, ani wa ani wa konge, wa kerge. Samba ala getuar nala nyinga bayi konga nyongi hon siyo Samba ala getuar nala nyinga bayi konga nyongi hon siyo si nous sommes là aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'organisation de la quinzaine de l'hygiène et de l'entretien que la commission sociale, en collaboration avec le CRUS, est par le biais de sa sous-commission de l'hébergement, organise chaque année. Quand on parle de quinzaine, je crois que c'est une occasion hein, qui s'offre à nous, une occasion pour régler tous les problèmes techniques, c'est-à-dire les problèmes afférents à la plomberie, à la menuiserie, à l'électricité, à la maçonnerie, etc. Euh, c'est une occasion également pour les étudiants d'être en contact direct avec le personnel du CRUS, si je peux m'exprimer de la sorte. Autrement dit, c'est un grand moment de communion entre le personnel du CRUS et les étudiants présents au niveau de cette université. C'est une chose à continuer, directeur. Je crois que nous sommes cette année à la sixième édition et voilà, je crois que nous devons continuer à organiser ces quinzaines chaque année parce que, comme j'ai eu à le rappeler, en tout cas, c'est une occasion qui permet à la commission sociale, de même euh, au CRUS, de régler plusieurs problèmes concernant le domaine de l'hébergement. Parce qu'il faut le dire, il faut le dire, l'université Gaston Berger de Saint-Louis est confrontée à un réel problème d'hébergement. Ça, il faut le dire. Donc cette quinzaine est une occasion pour nous de régler ces, problèmes. Je remercie d'abord euh, la commission sociale pour avoir bien voulu répondre à cette invite citoyenne, je dirais, parce que le campus social, euh, c'est une micro-société du Sénégal. On retrouve ici euh, toutes les religions, toutes les ethnies du Sénégal, toutes les filles et fils du Sénégal qui se trouvent ici à la conquête du savoir, à la conquête donc d'un diplôme pour leur avenir. Et en s'investissant aujourd'hui avec les étudiants pour leur bien-être, comme vient de le dire le secrétaire général, euh, c'est un moment de communion entre le personnel du cours et les étudiants de manière générale pour s'enquérir de la situation d'hébergement des étudiants. La question sociale est fondamentale quand on se retrouve dans un campus il y a un des délégués qui habite Kolda, euh, au fin fond de, Kolda, qui est aujourd'hui délégué de G. Et qui trouve comme membre de sa famille les étudiants qui retrouvent ici au niveau de Sanar. Et ça crée des liens. Et ces liens doivent être entretenus donc en faisant aujourd'hui, comme nous sommes en train de le faire, ces travaux d'entretien dans les villages universitaires. Il y a beaucoup de problèmes. Et tant qu'on sera ici, il y aura toujours des problèmes. Mais c'est la volonté qui compte, la volonté de bien faire. Et aujourd'hui, c'est une traduction de cette volonté pour que l'étudiant soit dans de bonnes conditions sociales qui impliquent bien sûr et qui influencent d'ailleurs euh, le côté pédagogique. Aujourd'hui, euh, comme vous le constatez avec la commission sociale, avec les étudiants, avec leur engouement, leur énergie. Donc en faisant fi de leur talent intellectuel. Donc chacun hein, donc, a retroussé ses manches pour travailler au même titre que les techniciens du CRUS. Et c'est cela le, plus important. Et le campus social, donc c'est une, je dirais pas euh, une université, mais une école de la vie une école de la vie. Donc on rencontre, on se fait des liens, on se fait des amis, on a des difficultés, on trouve des solutions et ça qui nous forge demain en tant qu'homme responsable, donc demain pour être vraiment les veillants et hein, donc décideurs de ce pays. Et je suis fier d'appartenir à cette communauté donc euh, de Sanar et je suis fier encore une fois donc de revenir donc dans les villages universitaires voir les mêmes problèmes qu'on rencontrait depuis 1997, donc ils sont toujours là pour dire que véritablement les problèmes sont faits pour être combattus. Donc dans la communion des cœurs, hein, parce que les montagnes peuvent être déplacées, mais il faut le croire pour déplacer les montagnes. Celui qui dit que c'est impossible, ce n'est même pas la peine de batailler. On est des hommes, donc intègres comme il a dit, nous tous, dans la mesure du possible, nous devons combattre <clears throat> pour que notre devenir, notre futur soit meilleur. Et la commission sociale est dans ce siège. Et d'ailleurs, toutes les structures étudiantines, parce qu'elles représentent légalement hein, donc, euh, les étudiants. Maintenant, c'est comme ça. Quand on est devant, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est tout à fait comme ça. Et c'est pourquoi tout le monde n'est pas aussi là pour être leader et pour être euh, donc <clears throat> pour mener donc des bétails. Je, vous félicite et aussi euh, vous souhaite <clears throat> le meilleur euh, pour que vous obteniez donc vos diplômes et au-delà des, diplômes, que ces diplômes vous servent à vous et à vos familles hein, pour qu'un jour, qui dirait <clears throat> mon fils pourra venir peut-être voir le secrétaire général de la commission sociale ou un des membres des délégués pour dire que, donc, suis le délégué, mon père, c'est pas ma faille. Et c'est comme ça la culture sénégalaise. Ce sont des liens forts, fondamentaux. Et nous ne pourrons pas développer quoi que ce soit sans pourtant partir de nos cultures, de nos liens donc, qui nous lient. Bien de copier. On ne va pas copier. On va s'enraciner pour se développer. Et véritablement, on se félicite aujourd'hui de la tenue de cette quinzaine qui est la sixième. Et on va améliorer le processus d'organisation de cette quinzaine. Il y a un problème d'agenda, certes, parce que à chaque fois que la quinzaine s'organise, donc c'est la fin donc, des mandats des délégués. Il y a une autre équipe peut-être qui viendrait. Peut-être qu'il faut voir comment donc arrimer le calendrier Hein, donc des, en tout cas des, élections des, délégués avec l'organisation des... C'est une réflexion qui n'incombe pas seulement au CRUS, qui n'incombe pas seulement à la commission sociale. Et c'est ça que, j'appelle donc à la communion et à la communication, parce qu'on ne peut pas euh, travailler dans le campus social sans communiquer. Il faut que, à chaque fois qu'on se voit, qu'il y a des problèmes, qu'on s'assoit, hein, qu'on trouve les solutions idoines. Hein, pour le bien-être donc des, étudiants. Mais aussi féliciter l'ensemble des parties du personnel administratif, technique, service du, CRUS, hein, parce que euh, ça n'a pas été facile pour organiser euh, cette quinzaine. Le, secrétaire général est bien placé pour le savoir. <clears throat> Ce sont mes collaborateurs hein, qui ont joué de leur rôle, euh, donc, objectif pour me dire que, directeur, il faut que la quinzaine soit organisée Ils m'ont convaincu. Et c'est comme ça on ne doit pas être fermé, figé dans des principes. Hein, donc on est des intellectuels ou bien des apprentis intellectuels. Nous devons nous ouvrir, ouvrir nos esprits pour que, en tout cas, le, rationnel puisse convaincre. Hein, donc c'est ça, en tout cas, qui est, notre base de travail. On est dans le dans, le savoir, et c'est le rationnel qui guide ni yom gan rem ni sam anda budar ni gan gange sam anda sam anda gestua nana Ninga bay kau kau nyongi go siyo Samba ana gestua nana bay yinga bayikangwa nyongiho siyo samba ana samba ana samba ana samba ana samba ana